fidèles auditeurs du studio Kalangou et amateurs de l'émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes jeudi 13 juillet 2023 et vous êtes en compagnie de Salamot Kadri et moi-même Rukayatou Abdraman. Salamotou, comment tu vas Super cool Rukaya, qu'est-ce que nous avons préparé à nos auditeurs ce matin Le flash d'information sera en tête de liste de notre programme d'aujourd'hui. Il y aura du loti de la culture linguistique et la rubrique hebdo. Sans oublier de la musique 100% nigérienne, le code des régions, la culture linguistique et le sport. Notre invité du jour est M. Ali Narey. il est artisan au Centre des métiers d'art de Niamey. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec notre flash d'informations présenté aujourd'hui par Nafisa Adam Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya, bonjour Salamatou. Alors, quelles sont les nouvelles du matin alors, le ministère de l'Éducation nationale, dans un communiqué publié hier, a décidé de la fermeture de 36 établissements scolaires privés pour violation des textes réglementaires et régissant le secteur de l'enseignement privé au Niger. Il précise à cet effet que ces dysfonctionnements concernent des violations de l'article 19 de l'ordonnance du 19 juin 2016 qui stipule, je cite, que toute personne qui ouvre un établissement d'enseignement privé sans autorisation officielle ou qui refuse de procéder à la fermeture quand celle-ci a été prononcée, sera passible d'une peine d'emprisonnement de 15 à 3 mois et d'une amende de, de 50 000 francs CFA à 500 000 francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Par conséquent, il leur instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces 10 établissements n'ouvrent pas à la rentrée scolaire 2023-2024. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a appelé les pays africains à se doter d'un grand projet énergétique basé sur le nucléaire civil. C'est au cours d'un panel de haut niveau sur la problématique de l'approvisionnement en énergie de l'Afrique dans le contexte de la transition vers des économies vertes qu'il a lui-même animé hier devant les participants aux US Africa Business Summit de Gabaron au Botswana. Dans son propos liminaire, le président Bazoum a rappelé que le Niger est un grand produit d'uranium avant de reconnaître que bien que décrié par les mouvements écologistes depuis la fin du XXe siècle et affaibli sous le marché par l'accident du Fukushima, l'uranium reste une source d'énergie d'avenir. Pour le président, il est urgent que le gouvernements et le secteur privé travaillent ensemble pour accélérer la réalisation des projets visant à booster la production d'électricité. Enfin, organisé par le Comité technique de pilotage des stratégies nationales de sécurité intérieure, et de sécurité de proximité avec le concours de la mission ECAP Sahel, Dosso abrite un atelier de vulgarisation de la stratégie nationale de sécurité intérieure. L'État nigérien a adopté la première stratégie nationale de sécurité intérieure avec pour principal objectif de renforcer le secteur de la sécurité et de l'adapter aux attentes de la population. Cinq ans plus tard, l'objectif du nouveau plan d'action de cette stratégie révisée est d'assurer la protection permanente des populations et des biens sur l'ensemble du territoire national. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme invité ce matin, nous recevons M. Ali Nare. Il est artisan au Centre des métiers d'art de Niamey. Bonjour M. Ali et bienvenue dans ce studio de Niger sur Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Mais avant de commencer l'entretien avec vous, nous allons d'abord nous détendre avec notre euh, toute première balade musicale Salam alaikum de Beskoza Nostra. alaykum salam ho alaykum alaykum salam alaykum alaykum salam salam alaykum afriki bore salam alaykum alaykum salam salam alaykum na geida salam alaykum alaykum salam salam alaykum jama kulu salam alaykum alaykum salam salam alaykum bisyan go salam alaykum Salam, salam Salam alaikum à tous les salam, du Niger tous les de la CAP, la Les du De la jeunesse à la guerre, du à Tous à Sender salam, pour un combat unique Un peu de joie, un peu de paix islamique Salam alam alaikum j'entends pour le Niger ensemble Pour mon patrie faut que les rappeurs volent Faut que la jeunesse avance ma d'Iva Kargabama mama La best of the nostra Les pierres parmi les yeux Quand On tombe sur les yeux C'est casse les yeux Tombent sur nous C'est casse ta patate Y'a rien à faire on fait Y'a rien à faire on fait Y'a rien à faire on fait Salam alaikum capitaine aboré Salam alaikum Alaikum salam Salam alaikum Nyame Boré Salam alaikum Alaikum salam Salam ya baby salamu alaikum alaikum salam Salaam alaikum doso dawa salamu alaikum alaikum salam Salaam alaikum agadan difa Salaam alaikum alaikum salam Salaam alaikum raji zandar Salaam alaikum alaikum salam nazo na shigo fage avec toute la camera me fait le la cosa nostra pour le microphone avec la conscience mais aussi la liberté et on prend pas à tout le public No mama parce que ça détruit et et paye parce que ça détruit diga mago be han kanga ta o boda han kanga o boda mi se tale go pagu na tara pagu na bongo na kasula bisai go mo er ye da bu sin tine ye tan gai hin kanta ye san tur ga chi bo kai mama er ga de di se mo abi si go gen zam ba ma tanir di a go sai anan na to ga ma kula ji zani total anan na to ma ça n'a plus de temps, je le ce grand temps, je me suis le grand temps que clair, réclamé autour de ceux qui restent inaperçus, dicté, j'étais es sur la shifté, et même qui dans la zizanie, Envisageons le rappeur qui n'a pas peur, qui vient d'être une image ringarde sur tous les messages, vous ce qui se passe, j'ai pas peur parce que je suis un rappeur, je parle les hommes faire à mes soeurs et même à mes chers parents, chaque mère père, J'ai donné leur accord, on chante pour mon Niger. temps pour mon pays avec une salutation comme Salam alaikum, un souffle, un de la peine, et tel cache cette paix. Sous Sur la terre, dans le qui aucune opinions, aucune, aucune conception. Monter sur la forte dimension. Harou Banda, Sabanda, Zampir Paranda, tout mon monde. de Salam Hamel Guiné, salam alaikum, alaikum salam, salam alaikum, Kader salam alaikum, alaikum salam, salam alaikum, Ibrahim, salam alaikum, salam, salam. Salam alaikum, samplewane. Salam alaikum, alaikum salam. Salam alaikum, muna gaida. Salam alaikum, alaikum salam. سلم على النجف والنجر من شرق إلى غرب اليمين والشمال يا من هو القاهرة البلد مال قبل كل شيء يبدأ بالسلام دائما سلام أبدا سلام فوق السلام تحت السلام غني للنجف Salam alaikum est le titre que vous êtes en train de kiffer du groupe de rap Best Cosa Nostra. Il a vu le jour en 2005. Le groupe sort son premier album Salam alaikum courant de la même année. sanne la peste pose nostra le coppe sotto microfono mi adi microfono mi kana on kon wadde me e niger e gorko wadde no roma anan hala makka dum umma ma da foka hey fo hey fo ful be lady amin ha be lady amin fakon ke lady amin gar inno goto abba goto ni be lady me e niger lady me e tapi sanne anjore du mawdu goto tampina lady anan e gar da cede ma ayo cede ma ben alaykum tu ko ngai so ni ga ne ko nan ni karba karba e geen bonga Meriada e mandital se toca e zemer Si ca nu nong ral kisi et bangai Toma si apoi ni wang kare Ito para babiza i mkoi lambe potio Mkoi lamatil si bim lambi Tirga ma me kanda i si bair Gati mo rasi Ar tirga Ya rap di Ay po Mirman tu wade visi En si moro visi en galala A cosa est venue man pour faire le tapis Et petit dégapé sto Ici pour le show Y'a pas de 40 pour le rap Tout les de retour dans ce studio après le morceau Salam Aleikum du groupe de rap Best Cosa Nostra. Je l'annonçais, notre invité du jour est Ali Narey, artisan au Centre des métiers d'art de Niamey. Bonjour Monsieur Ali. Bonjour. Vous êtes bien installé sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Oui. D'accord, super. Ali, comment vous êtes devenu artisan Racontez-nous un peu votre parcours. Ok. Euh, je peux commencer quand j'étais bas âge. Euh, à, l'école primaire, on, fait des dessins, on fait des couleurs. C'est là que j'ai pris le goût jusqu'à euh, en collège, à travers les dessins animés, j'arrive à dessiner, à regarder, tout ça. Mhm. C'est là que l'art m'a pris, j'ai commencé à, à m'exprimer. Mhm. Et vous disiez euh, que vous faites de l'art plastique. Ça aussi, ça a commencé quand Bon, tout ça, ça a commencé à bas âge. Mhm. L'art plastique jusqu'à jusqu'à 2003. Hmm, 2003 où j'ai fait une formation professionnelle et technique euh, au projet Nigitech 2 de la une formation artisanale euh, sur la calebasse, sur la filière calebasse. C'est là que devenu, je suis devenu en tant qu'artisan. Et euh, qu'est-ce que vous fabriquez comme objet artisanal Ce que je fabrique comme objet artisanaux, c'est des lampes, des veilleuses en calebasse, j'ai fait des boîtes à bijoux, des potes bic en calibas. J'ai fait de beaucoup d'oreilles, même des bracelets en calibas. Je peux faire euh, des lampadaires en calibas, des lustres en calibas. Et tout ce qui me vient en tête, si on peut le faire en calebasse, j'essaie de faire ça en calebasse. Même en sac, on peut le faire en calebasse. Tout ça là, vous l'avez appris dans un centre ou bien c'est votre Non, ça c'est mon inspiration avec le temps. J'ai je, je, j'ai essayé de, de, modeler, de mettre mes connaissances euh, euh, artistiques et plastiques. C'est là, au fait, même que je mélange les deux. Je fais l'art plastique, je mélange dans la calebasse ce qui est dans la calebasse. des fois, je transmets dans l'art plastique. C'est ça qui fait que j'ai tellement les deux côtés qui me permet d'être en même temps un artisan et en même temps un artiste. Quoi. Et où vous trouvez euh, la matière première la matière, euh, la matière première, premièrement, elle vient du Nigeria et d'autre côté, elle vient de Kobagué. Kobagé, c'est à une cinquantaine de kilomètres d'ici à Niami. Des fois, je pas parce que j'encourageais les, les, les, cultivateurs d'ici à mieux cultiver, à le conserver. Parce que la calebasse est en voie de disparition. Et quand j'ai découvert que quand j'ai découvert ce métier et que je l'ai appris, ça m'a donné l'idée parce que c'est un objet d'art à Calebasse, c'est un objet d'art qu'on peut moderniser. Et l'idée me plaisait beaucoup. Et là, euh, les cultivateurs ont tendance à laisser, euh, à ne pas cultiver la calebasse. Mhm. Et là, ça me donne euh, envie de leur encourager d'acheter pour pouvoir, pouvoir les encourager à, cultiver. Mhm. Et comment procédez-vous à la fabrication voilà, Pour la fabrication, c'est un processus, passé par étapes. Parce que, probablement, il faut prendre la calebasse ça, il faut avoir même, faut savoir choisir la calebasse. Il y a le choix de la calebasse, sa beauté naturelle. En, premier lieu, en deuxième lieu, il faut la nettoyer. Il faut enlever tous les déchets. En troisième lieu, il faut dessiner. Après dessiner, il faut essayer de percer. Et quand tu finis de percer, parce que en perçage, c'est là le grand travail. Parce qu'il faut savoir l'intensité de la lumière qui doit sortir pour apaiser la conscience de l'homme. Mm. Et c'est là le grand travail. Et quand j'ai fini de percer, maintenant j'ai corps. Je mets la couleur. Après la couleur, je mets euh, la brillantine, par exemple le, cirage ou, ou, la vernis. Voilà. Après, mhm. je prends les, les fils électriques, je fais mon montage. Je mets une ampoule, je branche, je mets le contact et j'ai ma veilleuse. Et vous faites quel genre de dessin sur ces calebasses Bon, euh, on fait tout ce qui est culturel. Déjà, il y a des dessins géométriques qui est des dessins africains. Ça, c'est très important. On le fait. Mhm. Il y a encore euh, les girafes, il y a les éléphants, tout ça là, on, dessine. Et il y a des poissons parce qu'on a le fleuve, on dessine. Tout ce qui est très avec le Niger, on essaie de le représenter sur la calebasse. Mm-hmm. Mais est-ce que les gens s'intéressent à ce que vous faites Oui, les gens s'intéressent. c'est l'artisanat, c'est quelque chose, c'est une éducation. Par exemple, si on n'a pas éduqué quelqu'un, il ne peut pas s'intéresser. Mais si encore quelqu'un essaie chaque fois de rencontrer, de voir l'objet, un jour il va aimer l'objet, il va essayer de procurer. Voilà. Oui, vous formez des personnes Oui, j'ai formé, j'ai beaucoup formé. Par exemple, on peut, combien de personnes Oui, bon, si on peut estimer, ça peut faire 2000. 2000 personnes 2000 personnes. Euh, que des jeunes Bon, que des jeunes, parce que j'ai travaillé avec ACR, j'ai travaillé avec euh, euh, mhm. OIM. je suis formateur parce que je, suis professeur en arts plastiques à une mhm. école de formation artistique et culturelle. Ça fait maintenant sept ans. Ah, ça, c'est bien. Merci beaucoup. Monsieur Ali, nous allons encore partir en musique avant de revenir à notre discussion. Je vous propose Irkoberi de Wire. tipo ဝိတ်မတ်တီရီကတဲ့ que vous êtes en train d'écouter du feu Sheibu Ayerou. Il chante en germain et ses chansons sont très appréciées. Il met en valeur la tradition du monde Soraya. Chers auditeurs, chers auditeurs, on vous laisse savourer. On y va. Si vous venez de nous capter, vous êtes en direct sur l'émission Le Niger sur Kalangou du studio Kalangou et nous sommes sur, avec notre invité, M. Ali Nare. Il est artisan au Centre des métiers d'art de Niamey. Alors Ali, nous voilà pour la deuxième partie de notre discussion. Dites-nous, vous produisez à quelle fréquence Moi, je produis en fonction de mon inspiration, de mon temps, de ce que j'ai commis. Hmm. Peut-être par semaine, je peux faire une cinquantaine. Mhm. Peut-être cette semaine, l'autre semaine, je peux faire trente. Ou l'autre semaine, je peux faire dix. Ça dépend de, du fréquence. Est-ce que vous, vous produisez aussi euh, sur commande Oui, je produis sur commande. Mm-hmm. La personne peut amener son design Tout, tout, ah. même idée, même couleur, tout ce qu'il veut. Si c'est possible, on, euh, on, le fait. Et qui sont vos, vos clients Mon client majeur, c'est les blancs, les spatéries. Ça, s'ils voient, ça, on ne discute même pas là-dessus. Maintenant, les Nigériens arrivent à acheter un à un parce qu'ils ont commencé à comprendre l'importance de, de, la calebasse. Mhm. Ok, d'accord. On, dit que les fabrications locales ne sont pas accessibles. Est-ce que c'est le cas pour les vôtres Oui, tu sais, il y a un problème de compréhension entre nous, nous les fabricants, et même la population. Par exemple, moi, j'ai fait de 2003 aujourd'hui, j'ai fait des années dans le travail. Le travail a évolué. J'ai pu, changer beaucoup de choses dans le travail. Mhm. Toi qui es venu aujourd'hui, je te dis le prix. Tu ne connais pas mon processus mhm. d'évolution. Il a peut-être même il y a quelque chose qui, qui, a, qui a été cher dans le produit. Toi, tu ne connais pas. Mhm. Si par exemple, c'est quelqu'un qui nous, comment c'est un client qui nous suit, par exemple, les blancs qui nous suivent, qui ont acheté cette année, l'année prochaine, ils savent que quelque chose a changé. Mhm. Et quand on augmente le prix, automatiquement, ils ne discutent pas. Mhm. Et toi qui viens aujourd'hui, qui ne connais même pas le produit, et tu ne connais pas son processus, et quand on te dit le prix, déjà tu dis c'est cher. Toi, tu ne peux pas. Mhm. C'est ça le grand problème. Et encore, il y a un problème où eh, beaucoup de Nigériens ne connaissent pas comment euh, le produit artisanaux sont fabriqués le, ce qu'on dépense dedans. Parfois, y a, moi, il y a des produits au début, moi, je ne mets pas main dehors. Mhm. Juste, je mets ce que j'ai acheté, j'essaie de mettre juste une marge qui me permet de faire une deuxième lampe, par exemple. Mhm. C'est qu'après, je commençais à donner une petite marge de, de main-d'œuvre. Mais maintenant, même, je ne la mets pas complètement. Par exemple, si je fais une heure du temps, dans le travail. J'ai évolué. Donc, mon, mon inspiration a évolué. Mhm. Ma connaissance a évolué. Donc, je peux mettre tout ça dans le produit. Et si je mets tout ça, c'est pas tout le monde qui peut acheter. Mhm. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de Nigériens ne peuvent pas comprendre. Et c'est mhm. difficile. Voilà. Et, entre nous et eux, toujours il y, il y a cette manie d'essayer de voir pour pouvoir faire un produit nigérien. Est-ce qu'on peut avoir euh, le prix <laughs> On peut avoir le prix. Voilà, le prix d'une veilleuse. Le prix d'une veilleuse, c'est 15 000. Mhm. il y a, parce qu'il y a par catégorie, mhm. on a 15 000 jusqu'à 1 million de francs. Mhm. Voilà. D'accord. Et Monsieur Ali, comment vous voyez l'artisanat au Niger, ici au Niger Est-ce que ça donne des ouvertures, des opportunités Oui, Déjà, eh, quand tu apprends un métier artisanal, c'est un travail mhm. que tu peux le faire tous les jours. Mhm. Et quand tu espères, tu peux être riche, tu peux voyager, mhm. tu peux connaître des personnalités. Par exemple, nous, là, on est, on est connus dans les ambassades. Tu vois, c'est à cause de l'artisanat. Vous avez aussi voyagé Oui, j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé à cause de mon travail. Voilà. Et encore, moi, je pense que l'artisanat nigérien a beaucoup évolué. Quand on la prend euh, par rapport à la sous-région, ceux à la main, à la main dans la compétition, elle est toujours en première place ou en deuxième place. Voilà. Il suffit de croire et moi je pense qu'on peut réussir ensemble. Et quel sera alors votre mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent actuellement moi, ce que je veux dire, que tout ce que tu fais comme travail, il faut l'aimer. En plus, il faut avoir un mentor. Quand tu n'as pas un mentor, tu ne peux pas évoluer. Et dans le travail qu'on fait, quel qu'en soit le métier, on est trop en retard spirituellement. Hmm. Moi aussi, je le dis. Parce que c'est ça qui fait qu'on est en erreur. On, est en erreur. Comment ça expliquer même? Quand je parle euh, de spiritualité, euh. je parle de développement personnel. Hmm le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Voilà. C'est ça qui nous manque beaucoup. Tu vas voir quelqu'un, il est bien, il travaille bien, mais de ce côté-là, il est nul. Il ne peut pas. Voilà. Et c'est ça qui freine notre développement. Le socialisme. Mhm. Le développement personnel, ça vient de là. Mhm. Voilà merci, Monsieur Narey, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. vraiment. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire Salamatou. Oui, Rukaya, il est de coutume au Niger qu'à chaque fin d'année scolaire, des cours de vacances sont organisés à l'intention des scolaires du primaire, tout comme ceux du secondaire, afin de leur permettre d'avoir le prérequis de base. Cela pour bien aborder les nouvelles acquisitions de la rentrée des classes prochaines, écoutons Antoine Prosper Kapochichi, enseignant au CES de Tilaberi, au micro d'Aligne Li Que peut-on entendre par cours de vacances Je définis les cours de vacances comme étant les cours eh, qui sont faits pendant la période de vacances pour pouvoir donner le niveau aux apprenants, aux élèves, pour pouvoir précisément les préparer à la classe supérieure ou à la classe dans laquelle ils vont passer. Quelle est l'importance de ces cours L'importance des cours de vacances, c'est que ça permet de préparer l'élève pour sa nouvelle classe. Assurément, la façon dont les cours sont faits, au moins pour les premiers cours, pour les premiers chapitres, l'enfant aura un appui conséquent, un appui important par rapport à sa classe. Quand démarrer ses cours et comment les démarrer Le moment où il faut démarrer les cours, c'est qu'il faut donner un temps de repos aux apprenants. Le plus souvent, c'est dans le mois d'août. Le mois d'août étant à cheval entre la rupture et la reprise. Je suppose que plus tard, fin juillet, les cours sont normalement arrêtés. Le mois de juillet sert de premier mois et le mois de septembre sert le mois de fin de vacances pour que l'école reprenne euh, en octobre. Donc voilà pourquoi le mois d'août est le mois idéal. Sinon, par la pratique encore, il y a des écoles qui font du 15 août au 15 juillet. Au moins donner deux semaines de repos aux apprenants pour pouvoir les faire reprendre quelque peu la même chose. Ce qui est aussi une autre pratique qui n'est pas mauvaise. Sur quoi se baser le plus pour faire les apprentissages Bon, le plus souvent, les apprentissages sont basés sur les premiers cours de la classe supérieure, alors que objectivement, les apprentissages pouvaient être aussi faits pour pouvoir remédier aux insuffisances des apprenants ou des élèves. On pouvait faire des cours de vacances. À l'évidence, ce qu'on devait faire, c'était quoi C'est de faire un test de niveau pour voir, le, par exemple, un apprenant qui va passer en, en troisième. Est-ce qu'il a le niveau réel de quatrième ne serait-ce qu'à travers des items, on peut le savoir. On lui fait une évaluation sur sa quatrième, même s'il va passer et voir quels sont les thèmes les chapitres, ce sur quoi il a une difficulté, l'amener à tout simplement à faire une rémédiation que de vouloir pour un peu précipiter et faire ce qu'on appelle les, premiers chapitres de la classe supérieure. À quoi faut-il faire attention pour éviter des problèmes aux enfants Pour éviter les conséquences, ce que le plus souvent quand vous regardez les cours de vacances, c'est fait majoritairement par des étudiants qui ont une licence, des étudiants qui ont un master, des étudiants qui ont, je sais pas, un diplôme. Oui, ce sont eux qui, pendant les vacances, quand ils viennent, quand ils n'ont rien à faire, ils le font volontairement. Oui, volontairement, mais volonté n'est pas aussi capacité. Oui, parce que le plus souvent, ce ne sont pas des enseignants de formation, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont que la connaissance et la connaissance brute. Ce n'est pas cette connaissance qu'il faut donner aux apprenants. Il y a un niveau de dosage, il y a une didactique à faire, il y a une transposition du savoir à faire. Les enfants peuvent apprendre, mais dans le, temps de, le petit temps de repos du mois de, septembre ou les 15 jours, les enfants peuvent perdre les pédales. Et ça, ce sont des conséquences. Maintenant, pour éviter ces conséquences, il faut logiquement les faire encadrer par des enseignants professionnels. Merci Abdul Niali pour ce reportage. Fidèles auditeurs, marquons une pause musicale pour écouter le titre Petit frère du chanteur Hayman. zamba na koinini masugo ilalo dandani ni hangai eremani dankai hangani aitale dumdumi ai ngware masiti adumi ni seigo arsani kala dani sonkomi fondo kai dinigani sikani tontoni hagoi masikoitoni seitana tangami an dunya ko bani guna ka kai kulkan yankani petit frère mama han yani petit frère agoy masi koy toni kaine mama hera sani kaine mama an gane petit frère masi te han kai gate ai tere lale andini petit frère ni mama han kai gane ni mama ni mateo kai gane kaine masi te han kai gate masi zaida sihera zamagoye yamu bagore yamu yamani buya mbisese ni hawi mabondum niho naherase alnisibani matabi masigana kyorolale hey keine suba keine geno gandede unisin tugu masitesede din furu senira bafusini bande anya ne baba innobare ganyan kafoy ga kajiri galu adoru igo irigere kanu adoru igo irijere Petit frère est le titre que vous êtes en train d'écouter de l'artiste Hayman. Dans ce morceau, l'artiste Hayman donne des conseils à son petit frère de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et d'être obéissant envers les parents. Ni ma petit frère du rappeur euh, Haïman Ruki. Passons à présent à notre rubrique Écho des régions. Oui, cette rubrique nous emmène dans la ville de Gaïa où l'organisation des cérémonies de mariage et de baptême se font avec de nouvelles pratiques. En effet, les familles se font l'obligation de faire des cadeaux avant la cérémonie. Pourquoi cette nouveauté Élément de réponse avec notre correspondante Ramoto Issa Wanki. hijai dake bai sa sahalo kan se burfon gane tonka hari gina kan yi ga zaban dai a gate no bin farhai berira wedin fondara wai borai bidon yankar kan yango ise dangare harai wal dondon nan gura gina fo do fo enno iga zaban fati kan go kwara tagi a tu irse ir hayan woga yi hijai gote irga sai bonbon ya kwafi zaya biski borai sai zara zaura wayan lalle lallayan kuli ga sai an kan ga kamata da sai ya har dai barfoyin sai turaren wuta su bizu ko din e sai foi gina yan roma ji yan kuli su bai sai to danga ifo ma ga sai no buci ga atilas boradi mai ga ima gine yi zaban koi na matakin no zaban yan woga te da kallir mu hangan gama fatisi e sai yan wote no di borai ne kokosa te ga bandin don bonwa ga bandi sai yan wodin ni gone su no hija wal su no chabani ti songo du boren dan bon waga ban igo gorgoro zam surprise na kai sai si bayaga barfo yanga fatta furu windi fora gami rai ga kine ga sayen wote to di di sayen wani ba kulu so bai ga tuni so bai ga char hama yi so bai ga zuru ga char hama yi so bai kumna kumna dai iga haru iga maka ne aga te salma mahare ko indi bora fongu da bora du gina kan bora isai gina kan bora du da bora diya bora fongu kan wallahi filana cige wal filana kwara chabai ganin sayen wote ndi ga maka ne. gina yi zaban yan wo agogo te sogon yan ramu dai zama lokacin kine bore gi sobai gidirgi chartu ima imadi za bore kan yanka bucodo zan kai nyai zai da burkin dai asin da wo walwo asin da zan kaga wal alberiga burkul ga kokar gidu hankan isai bin farhaira wedin fondara mu dai buryan gona kan yanga du ginayyan nan gama kan zuwa ran fahaman da aidu zara kyallafo aidu bombon yan aidu lallahawar hinka aidu koppiz hinza da ginai gergere din da yayi sabai aidu dai boba da ginai bakan dai gina zaban yan owo a te yayi ta gi kan wanda gakuri. amma halga kason dai bari yan gono kan yan mani yaddan da in gai almiya laira zama kan sai sintina dai har bobo yan gono kan adangina dangadai do hare dakwai ne a yan kan ga gangi burai musu bai gidirgi carto tai halim ko ga carmarai ramuti sawanke studio kalangu gaya ramatun kanibani ma'an so taron kani alhamdulillah dai mata gai bora kulu Allah alhamdulillah bara to abori dai no a irga birin bayno wato dinu buce cha bai da hije ingan do songo wana kangara ni goga ko kasate fan ka fono gi gamara to danga fan ka kan gi gamara di ne ko kosa ne yau ga za hanu di ne ko kosa to kulun ga gati danga wakan se nya mai hare igini ton ka hari danga ya dinga buco veyo no ya auhi ga auke wai to wai din sai ni gine ko kosa fan ka kan gi gamara mu so in ga gati yayo wakan yi kan da in ga gati danga ginayen sayyan ganga kopi zayen fai ginayen almitiyan turaren hutai haikul kan boradu iga margo hal ba lokaci ga to wai ginai din yi to bai sai koka sahana inda ga tufayin kakan go son wana da wato wana razam wato isati to eh. ni ne fank wai wato da isati ni ne dambo ngwaro banda ingano igati de wai yi oh. yo wala antuga ifo no ta ba ara to a ga ti danga dina sai danga borai gane filani kwa rubuco ga wal filani higaga ina gina yaki na yan sai burkur ko karga yi hankan eh, gannan danga inga buco banda imidi kan inga na harberi te yaki inga da ti iba a razama an tuga yan gona kan zahali ga haino isin tinga kopi zain dai ga margu isin tinga gina dai ga margu kan danga kokasa hani har daidai ika in kokasa te zami go kokasa te no saban dingai mu in dambu dake za kokasa bane mu dambo kasu ne mu wa lokacin in sun bidon yankar lokacin kina an tuga ga nunga burma na fosi iga fattaga saba iga dirgi gina yadin sai mm, ramatu ai ga bayan bai eh, koko sa mm. hana gina yadin kan iga saba iga faifai ya yodin mhm. manga na funa ga bainan ka harafun wallahi ai ka bainan ka hare afun ai mamma mm. barkan ni nan ka hare afun dai ne ya yayi dai no kan ikan de kan borai ga ba danga da buci ka ni kwara ni ga ba ni madanga kado yance borai sai to ni sin ga bora kunno afofo ya kine sannin saba iga dirga sai iga saba iga ha mai kyarga barkan duwa to shikenan Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, nous poursuivons le rendez-vous Le Niger sur Kalangou avec du sport avec notre chroniqueur Adam Sariou. Adam, bonjour. Bonjour, Ruki. Adam, nous ouvrons cette page e-sport avec la troisième journée et dernière des matchs de poule de la Coupe IFOAB Abidjan 2023. Oui, Salamatou, avec un point en deux journées, le MENA est obligé d'aller chercher une victoire ce soir contre le leader, le Burkina Faso et espérer un faux pas des Ivoiriens face au Ghana, qui vont jouer au même moment sur un autre terrain. Et Adam, quel est le classement du groupe à présent alors le Burkina Faso est en tête avec 6 points. La Côte d'Ivoire, grâce à sa victoire contre le MENA lors de la deuxième journée, se repositionne deuxième du groupe A avec 3 points. Le Niger et le Ghana sont derrière avec un point chacun. Pour rappel, le Togo et le Bénin vont démarrer le tournoi à partir de l'étape des demi-finales au lieu des phases de groupe en raison du désistement du Nigeria à la veille du début du tournoi. Adam, c'est aujourd'hui le tirage au sort officiel des éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 Zone Afrique en Côte d'Ivoire. Oui, Ruki, le tirage aura lieu ce soir après la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF les équipes seront réparties en neuf groupes. Les premiers de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront dans un tournoi de barrage. Les éliminatoires de la première phase prendront fin en octobre 2025 et les barrages en novembre de la même année. C'est la fin de cette euh, page sport. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci bien Adam pour toutes ces infos sportives. Rookie, c'est l'heure de notre rubrique portrait Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme âgée de 38 ans, mariée et mère de quatre enfants. Amina Boubakar est originaire de Douti, région de Dosso. Brave et combattante, cette dame a compris que la vie de la femme n'est pas uniquement croiser les bras et attendre que le mari règle tout, mais qu'il doit apporter en plus pour le développement du foyer. Pompiste dans une

aine tonem kote ay pompistara abi sai se fugora kan ay goti zamai kerfono ba ara aine iskara se ha ay se ale gengudu non kote a hay se mo patron ne se problem sara im ka im te stage dai wani shikenan imai angaji ya ne ne te te stage dai ai mo ya kine ai wani ine angaji ni fo wundi ko da kanda sendu sandu station goyni wo pompisi ane tal sara ay mi koge goyote inda kunna aga infani son goyo kan digo kira kompis ipo sande kan digo diara to wallahi sanda daga ti kiliyan ai nim du ihan na nim du ilala nim du kan gin wow nim du kan gin bere ni gabe kan wallahi goyo kan nugo te goyi no nugo te ni bon sen war fay ma wallahi isibo dim bay albariyan gon kan ba ira encourager gin ngewe way bar kan goyi boda aga kanin gai se wallahi a fay ma kayan si bere ni kadai suru dai wallahi irgidi wa irgidi hay kul irgidi hanna irgidi ilala kada suru to son jirgu wo wora am il mhm. faut ti sugindo gomni kandu goyo wo kandi gotira wallahi aidu sugindo gomni kulu zama aidu frigo ara aina morade ite ai daidu hige wal chabai wal haifo ai sba kai gai mai ha aino gai morado te ai bonse ai gai uniforme te gai bazen ai daidi ka hige do bazen ai gite ai gai zare dai ai gai tam hanna dai gai saka hanna dai ai dai bon kare hanna mai skai gai mai gida ba ai dai gidan ai zaiga to so amin il faut ti no likte woi borai se wallahi kai gidan kelwoi borai se fu gorai masai fa an ka wargane kala albor se in kun da tense su ba tense an ga go ke kel wai bare se wallahi goy wo sinda nim ne wani alborno no wai borno hadde ni da niyya da akuka albor gite kine mi ni hinga te ka dai dumin te ya ne go kele wai wai bare wallahi goy sinda su ban ya asinda nim ne wani wa albor wani wani wai bor wani din ka gite ni go wana dai no ka dai dumin nim da ngara Merci Oumou Oumourou pour ce portrait, chers auditeurs, auditrices. reportant encore en musique avec Yacoub Moumouni Denke Denke qui nous chante ici Habsatou Lobo qui veut dire la belle femme, la belle Habsatou dédiée à son épouse. il ne Lobo. de l'artiste Yacoub, de Moumouni Denke Ruki, de quoi parle notre loti d'aujourd'hui Le loti parle de l'importance de laver les mains avant d'allaiter son enfant. C'est le thème central de la rubrique de notre loti. En effet, elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage des mains avant de mettre leurs enfants au sein. Écoutons Samira Rouafi et Rechia Arimi sur le sujet. Affairage, affairage, affairage, affairage. Toi, quand tu as fait, tu n'es pas patiente. Ah, ne j'arrive. Aslam alaikum. Aslam alaikum. Yani, c'est Ibu qui pleure comme ça. Il est malade. Il est en parfaite santé. Il a juste un peu faim. Nourris-les alors. Tu sais que c'est pas bon pour la santé du bébé de le laisser pleurer longtemps s'il n'a rien. Ça peut le rendre malade. Je le sais très bien, ma chère. Alors, il faut le consoler. C'est ce que je m'apprête à faire là. Juste le temps de le sortir de dos Regarde comment il crie, comme si on lui a mis du piment dans les yeux. Tu sais, on dit ventre qui a faim <laughs> n'a point d'oreille. Hein. Attends, je vais lui donner le sein pour qu'il se calme. Ensuite, nous pouvons parler. Prends, prends mon bébé, c'est fini. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. Attends, attends, une seconde. Qu'est-ce que tu fais Je vais l'allaiter. Sans te laver les mains Toi qui viens de traverser toute la ville là, comment tu vas allaiter comme ça avec les mains sales mais je me suis lavée avant de sortir de la maison. D'accord. Mais il est conseillé de laver les seins quand tu vas l'allaiter. Ou si tu veux tirer les laits, de laver les mains. Pourquoi les mains Parce que cela permet de prévenir certaines maladies. Hmm. Demain, tu vas encore me dire d'aller faire autre chose. Non, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Les spécialistes conseillent seulement des règles d'hygiène pour le bien-être du nourrisson. Comme par exemple, éviter les savons parfumés pour se doucher car ça pourrait masquer l'odeur naturelle de la peau. C'est un peu logique. Hein? Quoi encore Il faut porter un soutien-gorge qui soutient bien la poitrine, sans la comprimer et surtout les laver au moins trois fois par semaine. Ah bon Tu es sûr que tu n'as pas ajouté des choses Pas du tout, Yanni. Cela montre que tu n'as pas été assidu au centre de santé pour les consultations. Ce sont des conseils qu'on donne aux femmes allaitantes. Et surtout, les agents attirent leur attention sur le respect de ces règles d'hygiène, car les bébés sont très sensibles et contractent facilement des maladies. Délo, vraiment merci du rappel. Tu sais, il est un enfant qui pleure beaucoup et quand il crie, tu oublies même l'essentiel. Merci mon ami, on va bien causer maintenant qu'il s'est calmé. Ma chérie, toi tu dois vraiment changer de métier. Hein. <laughs> J'ai assez appris avec mon ami, sage-femme. Et ce n'est pas pour rien que tu me vois toujours coller à grand-mère. Elle me donne plein d'astuces. Trouve un temps libre seulement et je vais tout te raconter. L'autre est à faire. <laughs> Inch'Allah, ma copine, cette semaine même, on va organiser ça. Ah bah, toi, Allah est C'était le texte Femme du studio Kalangu. Merci les filles. Place à présent à notre culture linguistique. Abdul Moumouni est là pour nous expliquer le mot sarclage en français et en fulfulde. Effectivement, euh, salamatu et Ruki, je suis là pour expliquer le mot sarclage en français et en fulfulde. Le cerclage est un mot du genre masculin selon le dictionnaire du français. C'est également une opération culturelle qui consiste à ameublir le sol et à détruire les mauvaises plantes qui se multiplient dans une culture. Au Niger, cette opération se passe en deux phases, au stade végétatif des plantes et à leur stade de reproduction. L'opération est faite euh, avec un avec un cercloir qui peut être une houe, une daba selon les régions du Niger. Les mauvaises herbes coupées ou fauchées sont appelées la cerclure. La personne ou les personnes qui fait cette opération est cercleuse si c'est uniquement des femmes et cercleur si ce sont des hommes. Maintenant en fulfulde ko indira cerclage de francire et de nder de jobu et maytu joobu ni woni demal aranal gaɗetegal wakkati gafeje ɗen enɗen puɗɗi mawnude ɗum nduni fa hannden ko watta kuɗole ɗen enɗen to nangu jabbe ɗen mayto kandu no waɗe wakkati basale ɗen enɗen mawni pusi nano tefa fiwde gombe iɗum mayto gesa ngam gawri ndi enɗen ñaaɗa ñebbe duni fa hannden nde awama kan en du layira no woɗiri voilà ce que je suis venu avec Merci Nyali, chers auditeurs et auditrices. Si vous, avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. 82 89 89 64. Sali, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. ine Mamman Sama'ila. Gaskiya labarin studio Kalangu muna jin daɗin kwarai-kwarai. abin da muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal san studio kalangu duk information da muka saurara a tace yake emission wanda ta burge ni sosai naga ana an france ko amma mutan he ai traduire a hausa assalamu alaikum ni dai suna na shafa'i a gaskiya muna saurara studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryen gaskiya yana birge mu yana da kyau muna jin su wannan daɗi ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum na ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauran shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen na sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare sunana mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki kayan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare presk ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙarasa mana hannu cikin shi ina jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na ji daɗi ina gaida hasiya a dubai ina gaida maryama a dubai a gaskiya muna sauraron kalangu sosai sosai lokacin da na karatu ma a mai kullum da abokanai na muna saurari da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba surtu na France wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki ɗaya Chers auditeurs du studio Kalangou pour le journal de ce soir, nous vous invitons à suivre Nafisa Adamou. Elle est là pour les titres de la grande édition du 17h. Nafisa, rebonjour. Rebonjour, tous, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou. À suivre dans nos éditions du soir, le procureur près le tribunal de grande instance d'Agadez qui alerte sur les statistiques élevées des cas de personnes victimes de la traite dans la région ces derniers mois. Ensuite, le maire de la commune d'Arlit qui parle de nouvelles mesures sécuritaires prises dans le cadre du transport de l'or. Et le magazine nous édifiera sur la mission de la police rurale de la gestion du foncier rural au Niger. Merci Nafiksa, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Rukaito draman et Salamot Kadri. Merci à l'équipe qui a rendu possible la réalisation de cette émission. La technique, euh, c'était Mustafa Ayouba et Adam Odonwaki à l'édition. Le rendez-vous est pris pour demain avec notre présentation et notre duo. Excellente journée à vous. Bye bye.